بركه بركه بوكينا بركه ما شاء الله هاي فيلم هيك كل ناس ما تروحني تو ترى عرب وقدي ولا والله يسوي جينو يكوي نيزو فتاي دارين هاوي كاي جاي كافي هاوي نو بوكينا ترى لا بورا او تاني فون كايو تاني يكير ماندي وو o doron ni mbwari desperara ishike kalege mandi hawi in kei mandi o Sau burkul kakun hawo ce. Amen. s i ko ne kidan kan wara ne. Ne ba kun ka ta. So da ko ma bani s a Allah. Ki ba o ji ga. Yo ki bu. La dun ro kan n a l ne a r k a beri. Fon kayon albor musa ya go tenge. Ha? j a m a ngai bane. Ha. Ai go ki dum no ichim d i k a min d u n mo.

akbar masha Allah masha Allah masha Allah ko dai mu yaran sai wallahi me huliya inda ta yi su ta yi wallahi ai <laughs> Une mission de la garde nationale de l'opération FASA présente dans la commune rurale de Lanzourou depuis 2021 a été la cible d'une embuscade hier dimanche 20 août 2023 aux environs de 17h30 à quelques encabures du village de Doukousarou. La riposte vigoureuse de nos gardes nationaux a permis d'infliger une lourde perte à l'ennemi. L'on dénombre malheureusement 12 de nos soldats tombés. La population de la capitale du fleuve, les forces de défense et de sécurité, à leur tête le gouverneur de la région, se sont retrouvés au cimetière musulman de Tirabéry pour les accompagner à leur dernière demeure. Le lieutenant-colonel Mayna Boukar a assisté à ces funérailles au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Chani, des fatias ont été prononcés pour le repos éternel de leur âme au cimetière et au camp de la garde nationale de Tilabiri.